Auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Le Niger sur Kalangou de ce mardi 05 de ce mardi 5 décembre 2023. Je suis Rekia Arimi en compagnie de Samira Rouafi pour la présentation. Samira, comment tu vas je vais très bien, Rakia. J'espère que tu vas bien aussi. On a quoi au menu aujourd'hui Comme d'habitude, Samira, nous allons tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure avec un flash d'informations pour commencer et aussi de la bonne musique nigérienne. Dans la rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, nous parlerons santé comme chaque mardi. Nous suivrons ensemble un entretien avec Maria Magarba, formatrice en alphabétisation et en entrepreneuriat à Tawa. Toujours dans cette émission, il y aura aussi du sport, un reportage régional du Loti avec les femmes du studio Kalangu et de la, et de la culture linguistique en français et en Hausa. Nous, Nous bouclerons avec le message vocaux de nos auditeurs. Et oui, Rekia, sans oublier aussi euh, notre brave collègue Fanta qui est à l'édition aujourd'hui et à la technique, nous avons Abdulkader Chambiano. Nous démarrons l'émission avec le flash d'information présenté par Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour, les filles, comment vous allez Ça, va. Alors pour ce matin, dans une lettre de notification adressée hier 4 décembre 2023 à la délégation de l'Union européenne par le ministre des Affaires étrangères à Niamey, les autorités de transition ont dénoncé l'accord relatif au statut de la mission civile de politique de sécurité et de défense commune dans le pays ECAP Sahel Niger, ainsi que le retrait du consentement accordé par le déploiement d'une mission de partenariat militaire au Niger. Le Niger met ainsi fin à ses accords de partenariat en matière de sécurité et de défense avec l'UE. Des décisions qui s'analysent sous le prisme des mesures de rétorsion en réponse à la position que continue d'afficher l'UE par rapport à la transition en cours au Niger. Les sanctions prises au lendemain du coup d'État du 26 juin 2023 contre les nouvelles autorités ainsi que la suspension des principaux programmes de coopération et d'aide budgétaire. Ensuite, le ministre d'État de la Défense nationale, le général de corps d'armée, Salif Moudi a eu une séance de travail hier avec la délégation de la Fédération de Russie, conduite par le vice-ministre russe de la Défense, Yunus Bekyev-Kourov. Cette rencontre avait pour but de renforcer la coopération dans divers domaines de la défense, la diplomatie et le développement entre la Fédération de la Russie et la République du Niger. Notons qu'au cours de la journée d'hier, la délégation russe a été reçue par le président du CNSP, le général de brigade Abdramantiani et le premier ministre Lamine Zen Ali Mahamman. Et enfin, le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Ambalo, dissout le Parlement dominé par l'opposition. En effet, le président bissau-guinéen a décidé hier de dissoudre le Parlement dominé par l'opposition trois jours après des événements qu'il a qualifiés de tentative de coup d'État, indique un décret présidentiel communiqué à la presse. Une décision qui risque de replonger le pays dans l'instabilité politique malgré les mises en garde de la CDAO contre toute tentative de déstabilisation des institutions de cet État fragile d'Afrique de l'Ouest abonné au coup d'État et aux crises politiques, rapporte Actu Niger. Voilà pour le Flash Info de ce 5 décembre 2023. Merci Rafika pour le flash info sur l'actualité de la journée. Samira, c'est le moment pour nous de savoir un peu plus sur notre invité du jour. Et oui, euh, comme annoncé en début d'émission, nous suivons ensemble un entretien avec euh, Maria formatrice en alphabétisation et en entrepreneuriat à Tawa. Elle est au micro de Fanta Shamsou, mais bien avant, nous allons écouter de la musique pour commencer, n'est-ce pas Rekia Oui, Samira, on va kiffer les titres Vini Vidi Viti des Fadi. You know me, that's right. Uh, uh. offense when you overlook the sweet I rings, And I like to think that my wings, they are fly like me. Plus my ring so high, I'm like the leader of your aux États-Unis d'Amérique. Étoile montante de la musique moderne, la jeune rappeuse qui a débuté en 2015 n'a fait réellement parler d'elle qu'en octobre 2019. C'était en 2019 qu'elle sort son premier single Slow Down et de la passion. C'est parti pour un bon début de carrière artistique. Et dans ses sons, la jeune artiste Fadi essaye de toucher beaucoup de générations, dit-elle, au micro du studio Kalangu lors d'une interview accordée à Tarnan Foudé Ahmed à Harrisburg, en Pennsylvanie, aux États-Unis. in my soul I conquered and I gave my all to the higher power. Venive di vici, la zona ganina in a sana, eka aidi and I gave my all to the higher power. Venive di vici, je suis venu, j'ai vu, j'ai Après cette sublime mélodie, c'est le moment pour nous d'entamer la première partie de notre entretien du jour. Maria Magarba, formatrice en alphabétisation et en entrepreneuriat. Et oui, euh, dans cette première partie, elle nous parle de son métier double et des avantages de le faire. C'est au micro de Fanta ina aiki ina ina hannu to shi kurdani eh, menene kuma ya ake mi sunan shi a turance ya ake ce mishi shi alfabetization muka yi amma sunan shi ilimi zaman duniya eh, piniyafta ga finansa 'yan addukul 'yan addukul suna partenar kemu mhm. mm. kuna koyar da wani muna koya de 10 jusqu'à 19 daga mai shekara goma ashirin ba ɗaya yara waɗanda sun kabar lakwal waɗanda sun kabar lakwal ba mu ɗaukar masu lakwal sai dai waɗanda sun kabar lakwal waɗanda sun kabar lakwal suna muka koya kuma duk shaka'a ne ina da yariya ɗari yanzu wanga sikil na takwas na ginin shekara takwas muna yi mhm. mm. malama maryama kuna kuma aikin hannu sannan kuna koyarwa shi muna koyarwa muna aiki ne kuke yi to kin san yanzu mutane an ce musu ta siya yaƙi da jahilci sai su ce kai wannan aikin banza na ba mu iya yin yaƙi da jahilci karatun banza me da masana manya magabata sun kai tunani masu ilimi sun ci in ana koya musu karatun nan na yaƙi da jahilci ana gama da aiki hannu suna iya yi to kuma alhamdulillah yanzu yaƙi da jahilci tare da aiki hannu a kan shi kin ji maharin da yasa to kenan dole sai su zo kenan in ka rika wani abu ga karatu kuma ga aikin aiki hannu kana iya to menene kuke to dai a takaice dai babu abin da ba yi muna yin turaren wuta kala-kala muna yin turare na jiki su kuma rasu alkama su turaren feshe duk muna yi muna yin man kishi na shahwa su mai gurumiya muna yin vaseline muna shampo na wankin kai muna su demelon dai babu abin da ba mu yi nan wanga fanni kuma na abinci muna yin kalwa muna yin su dukunu su abulo su biskwi muna ji da na goriba da na tsamiya da na ware kai dai a takaice dai daidai gwargwaro dai fasaha ta dan adam dai mu bakin iyakanmu muna yi to kuna yi kuna mm. sayarwa mm. sannan kuna koyarwa kuma to wani amfani ne kuka samu a ciki ah, akwai amfani da yawa ko da shike dai mun projen mun yara na takca mu koya ma ina koya kuma da nika koya musu ina gida mai son shi son in koya musu sai in koya musu sai shi zaka shi dauki alheri shi bani sai in ce nagode da shi nika bukatoci na sai in ce nagode Allah ya saka da alheri kuma wani sai in gane shi sai shi ce mini wance na gode abin da ki koya mini gashi nan ina sana'a ina ci Allah shi miki albarka shi dai mata shi ne to ina kuke samun kayan aiki kayan aiki da sokoto nigeria aka siyo su muku muna sinan nan ga kamar in zaki sabi ni da arje bakin gada ta kai ta nan bakin mgc akwai gwara nan can maka sayan sud kuma in wani zai tahiya nigeria sai ka bashi ka ce su maka kayayyaki in ka siyo ba na yi guda za kai ko na biyu da yawa dai an guro ka kasuwa daidai takaici wanda ko kamin shi kari ga wani mai taya ta ka bashi alhakin shi su maka. to yanzu da aka liƙe wa'annan frontier ya shafi ayyukan ku. to wallahi ruhen nan ba mu shi daɗin shi ba amma yanzu kin san ko ya mai mun ka iza sai a aiko mu nan ya mai ma akwai shi ya shahi ayyukan mu amma dai mun iza ya mai ana siyo muna kin shi da muka an vuwa aka muna mhm. kamar a gida ba ku da cikin 'ya'yanku ko wani wanda yake da sha'awar irin aikin ku to iyata ga ta nan budurwa ta bana ta yi bak amma tana koyo dai ta iya saura ba ta iya saura ba saboda dai yawancin su dai karatun ta na ta yi concentrate bisa gare shi amma dai yanzu masha allahu daidai dai wadda saura dai ta iya waɗansu Samira, pour cette deuxième tournée en musique, je vous, propose, et je vous propose Monsters, un titre des MDM. maraude. Ah, call me Mr. Musical. C'est moi qui mène la danse, mec, you know that's true. Comme Timbaland, la constance se rendez-vous. On déchire le beat comme des fous. À peine nous les monstres levés. Toujours au top dans ce game. Dans le moment de paix ou de guerre. On reste debout comme des vrais soldats. Appelle-nous le monstres qui dans ce game ont tout cassé. De du bon temps, je m'aime pas le temps de vous parler. train d'écouter, chers auditeurs, est une sortie du groupe MDM Crew il y a juste 4 mois. Dans ce hit, vous sentirez euh, une sortie du registre habituel du duo sous les sables. Exactement, et sinon, c'est ce qui m'a le plus captivé déjà. Le clip était nickel et aussi l'empreinte sur la voix et les paroles. Dans les sons, il rappelle à la concurrence qu'ils euh, sont là et toujours aussi forts. Pour rappel, ils ont récemment organisé le concours de détection de jeunes talents. J'ai nommé Sarki Nous attendons impatiemment la deuxième édition. ake da muke a I'm so su Laetitia, dans cette euh, deuxième partie, euh, Mariam Garba nous parle de son autre métier, la transformation des aliments, et c'est toujours au micro de Fanta Shamsou. wani ne kuke baiwa al'umma ta wannan ayyukan a ah, suna assist su ce mana sun gode Allah shi albarka Allah saka da alheri mhm. ina da inspector kina na alphabetization can cikin ƙauyuka abin da ya yi bagga wani cinkaki ƙauyuka sai shi izana shi ce in zo iyo musu formation in zo iyo musu formation in koma su ma sai su ta godiya akwai wuraren da ya kamata in tahi ban ta yi sai ruwan allah ya sabka wani kira kuke da zuwa ga mata ah, musamman waɗanda ke zaune ba sa aikin ku mata kam ina kira gare su na ce yanzu dai zaman duniya ya sake kowa shi tashi shi biɗi na kai ne aiki hannu ba abi yadda ana ba in ka iya ka unhani wani wani shi unhani ka kuma dan kanka ke ko baya ga ranka wani sai ya ci wane ya koya min mm, wallahi a cikin ayyukan nan na kuna hulɗa sosai da jama'a a muna hulɗa sosai da jama'a wani ma ban san shi ba saboda ayyukan gana na san shi to wani kalubale kuke fuskanta to kalubale gudana da muka fuskanta ba mu da jari inda muna da jari da kamfanin kama mun yi ƙalubalen mu guda da ba mu da babban shari shi ɗaya na rashin shari ya mana wani amma ba mu da wata matsala babban ƙalubalen mu rashin kuɗi <laughs> rashin kuɗi da a gare mu na mu yi shari in kana da shari ka so kayan ka da yawa babu matsala su kuma can da kaka zuwa kana so kaya nigeria ba su da ƙeta da kya zo sai su ce miki taho na in ki zo sayan abu guda sai su baki farmasiyan uku ko hudu kin ga abin da ya sa hannun ka iya komi da ku sai su ce in ka iya gobe sai ka zaka sayi dama kuna koyarwa kuma kun je kun yi karatu ne na waɗannan abubuwan da kuke koyarwa na zo waɗansu mutane na ce su koya mini sun koya mini me amma mahi yawa duka najeriya na in ni ta sayan kaya da ba a rufe hayya ba da can sai gwara su yi formina dama da ka yi na da bikidi ta nika tayya sai su ce kaza haka kaza abin kawai da sun haɗo mini na rubuta da na zika na su kaya da na yi sai in yi shi tunda da hausa na nika rubuta tunda ni malaman hausa nake kenan ban samun matsala to kana abinci for example kuma me kuke transfer ne yanzu kama rogo ina iya gwam da shi ta wankin tawa gwam na ciral ta kwarai ta ainihi sai in so rogo na in kwalɗe shi in zaka in sa rapes in yi rafen shi in yi rafen shi sai in zuba mishi ruwa in motsa shi in motsa shi in bar shi in ya dan jima sai in to in tace ruwan nan in ni tace ruwan nan to na da kasar nan da lakin na amidon shi na muke yin gwam da shi mhm. sannan kuma kuna gishiri kuma muna yin gishiri bancin ma gishiri ina yin kalwa shi ko kalwa da waka a warana nan mahi yawa duk mutane waka a wara dai wake a wara a warata shi ko waka a wara ba a wara daya kai yi da shi kin gani ana yawur da shi ana yi aron mashi cube da shi ana yin brochet na awara ke dai a takaice babu abin da ba a yi da kalwa na akan shi ma in an kaso shi a ɗebe mishi kazamta a soya shi in an soya shi a surhe shi in an surhe shi a wanke sai a kashire shi sai a sa fermentation a ruba sati guda sai a hido inda iska da wani abu bai samu ne kenan kamin satin nan ta yi baki kirin ta koma kalwa sai a daka mu ba mu da inji yanzu wajen gayan na masu yan malafi inji na gare su mu ko ba mu da inji amma da hannuwa muna maka daka yadda daidai muka yi kuma muna so masu hannu da ne inda taimako su ma so mana mashin nan don abin mu ci gaban mu zan nika kalwan abinci muna yin biski muna yin gato kuma na da ƙasa na muka yi ko da ɗiyan duwatsu saboda ba mu da kiziniyar kuma yanzu wuta matsala gare ta amma sai mu bi ɗorerai ƙasa mu sa shiga wuta shi zahi shi zahi sai mu kawo mulkin mu mu sa sai mu yi mu wani croissant kinmu mu wani biskit kinmu mu mu wani gaton mu duk muna yi yawur kuma muna yi da madara kuma muna yin ji na goriba goriba muka siyo wa gari mu jiƙa ta sai takon mu dahwa ta mu tace ta mu yi to ji kala kala na har concentré muna yi mina na ji concentré kamar wa an gani cikin alimentation siro de mont mina na to shi in ki conservation shi presque yan nan bai yi komi ba saboda da sukari kika dahwa shi maraba guda ta ware ko ta tsamiya kilo da rabi kika samu na sukari ki dahwa ta in ki dahwa ta da shi kin gani kya yi siranki in marece yayi ga azumi kya gaji ba ki iya ki ta ce ki dafa wanga ki wanga aiki to shi in kina da shi ruwan sanyi na ɗaya kika sa ko glass kike ke sha da zaƙin shi shi muka ce ma siro concentrate dun muna yin su to kuna da kungiya haka to wallahi mu dai a ne ko da yaushe dai alfaki ta ta nika yi masu so in zo yi shi yi shi ba mu da wata kungiya amma in dai agrema ina da agrema na agrema na na yaƙi da jahilci kungiya mm, dai abba mu da ita Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Samira, parlant santé à présent et c'est sur la dermatomycose. Rekia, les dermatomycoses sont des maladies de la peau causées par des champignons. Même si euh, elles ne sont pas très contagieuses, elles créent beaucoup de désagréments. Quelles sont les causes et comment s'en protéger Le médecin colonel Inoussa Issa Ali, dermatologue et vénérologue, explique au micro de Zenob Abdou. Qu'est-ce qu'une dermatomycose Une euh, dermatomycose, c'est une dermatose due à des microbes qu'on appelle les champignons. C'est champignons, en général, surviennent le plus souvent pendant les périodes où il fait chaud et humide. Donc, ils prolifèrent surtout pendant ces périodes-là. Comment les attrape-t-on euh, Les champignons sont dans la nature et certains même sont, ça profite, ils sont même sur notre corps et qui colonisent également certaines zones, notamment les plis. Et quand les conditions euh, sont réunies, ces champignons prolifèrent plus que d'habitude et par conséquent provoquent euh, la maladie. Et comment se manifeste cette maladie La maladie qu'on appelle intertrigo ici, qui touche les grands plis. Les grands plis, je vais parler des plis euh, axillaires, donc sous les aisselles, les plis sous ma mère, donc sous les, seins, les plis euh, inguinaux qui touchent un peu la région génitale, et le grand pli interfécié. Donc euh, ça, ce sont les grands plis. Ça peut toucher aussi des petits plis, notamment les plis interdigitaux entre les orteils ou bien voir euh, derrière les oreilles. Donc euh, comment se manifeste la maladie la maladie se manifeste d'abord par une certaine rougeur qui commence à, à, gratter. On peut avoir des petits boutons dedans, mais c'est une rougeur qui gratte et ça sointe et des fois ça ne sent pas bon. Donc, euh, ça se caractérise par ce qu'on appelle une lésion érythématose, squameuse et sointante euh, qui est malodorante. Vraiment, ça, ça indispose, ça gêne la qualité de vie du patient. Et en particulier pour ce qui est des intertrigo de au, niveau, au niveau inguinal, qui touche un peu la région génitale, ce prurite est très gênant et souvent les patients le considèrent également euh, comme une infection sexuellement transmissible, alors que ce n'est pas le cas. C'est une infection due à des champignons et qui touche la peau, en particulier ces zones où il y a, c'est vraiment assez obscur, quand c'est chaud, c'est humide, donc ça fait proliférer. Et vous voyez, vous entendez souvent des gens parler de quelqu'un Gaba, ceci, cela. Donc en, vérité, c'est des intertrigos de grands, des grands plis. Comment se fait le traitement Il y a des conseils qu'on donne d'abord. Il faut d'abord bien aérer ces zones-là quand il y a l'intertrigo. Il faut porter des habits amples, il faut des habits qui soient de préférence en coton parce que le polystère dans notre contexte, ça fait également, c'est chaud, ça fait suer. Il ne faut pas abuser du savon parce que les gens mettent du savon pour frotter. Donc faut pas abuser également parce que tout ça là, ça fait perturber la flore eh, cutanée. Après le conseil, on passe au traitement. Et euh, avant le traitement, eh, de préférence, c'est bon de faire un prélèvement, un prélèvement mycologique. On fait un prélèvement pour regarder au laboratoire et déterminer de façon précise le champignon qui est responsable. Comme ça, après culture, on parvient à déterminer euh, la molécule, c'est-à-dire l'antifongique, qui lui va bien, qui détruit très bien le champignon. Et comme ça, euh, on, traite. Sinon, euh, des fois, euh, parce que nos patients n'ont pas les moyens, ou des fois, l'examen même ne se fait pas dans certaines de nos structures, on préfère faire un traitement probabiliste en fonction de, de la clinique, des signes cliniques qui se présentent à nous. Mais le traitement, il faut le dire que ça prend un certain temps. Donc euh, il faut qu'il y ait une bonne communication entre les médecins et les malades. Ces champignons sont-ils contagieux Certains, mais pas très contagieux, parce que c'est lié surtout à, l'organisme, au corps même de la personne. Donc euh, ce n'est pas contagieux. Je, ne dirais pas que c'est contagieux, c'est plus lié à l'hygiène et à l'entretien voire euh, aux vestimentaires aux habits que la personne porte et il crée l'environnement favorable, ce qui permet de euh, voir surgir ces, ces champignons. Et comment se protéger de ces champignons euh, Comment se protéger C'est vraiment prendre soin de, son corps. Il faut savoir que nous, nous sommes dans un environnement chaud. Des fois, pendant la saison hivernale, c'est chaud et humide. Donc, il faut porter vraiment des habits, de préférence en coton, des habits qui soient amples des habits qui soient un peu sombres, mais pas très noirs, pas le polyester noir. Vraiment se protéger du soleil et laisser vraiment respirer la peau. Et mais bien sûr, il faut aussi euh, se laver, se laver au minimum deux fois dans la journée. C'est vraiment l'hygiène corporelle. Et dès qu'on a certains signes de la maladie, il faut consulter pour être pris en charge. C'était là la, rubrique hebdo santé de ce mardi, soufflant un peu avec le son d'Altès, la mère en fuite avec Mounas. Sous le masses d'envers, au début, je suis sûr de vouloir que ça continue. Et tu sûr, ma belle, de vouloir que ça continue. Et tu sûr, ma belle, de vouloir que ça continue. De vouloir que ça continue. Oh, toi, ma belle. Si je te disais la vérité de le premier encart, es-tu sûr qu'on ira jusqu'à la gare? Si je te réponds honnêtement dès le premier soir, es-tu sûr de ne pas m'en vouloir et vouloir me revoir? Je suis fatigué de mentir. Je suis fatigué des menteurs. Si je te disais que tout ce coquillage n'est que pur mirage. Alors que je plane déjà dans les nuages. Si je te disais que tout ce luxe, ce prestige n'est que mensonge. Alors que je disais waouh, cette fois j'ai eu un homme sage. Si je te disais que tous ces artifices, c'est pour te mettre en confiance alors que je vois un homme qui a de la classe et de la romance. Si je te disais que tout ce sacrifice, c'est juste pour le alors que moi je vois en toi un homme qui a toute la grâce. Si je te disais que je suis un playboy, un aventurier. Alors que moi je veux du sérieux, je veux me casser. Si je te disais que je n'ai ni moto ni voiture, je scraque du matin au soir. Alors que j'aime dormir aux côtés non-chauffeur. Si je te disais que je n'ai rien, je suis comme un rat d'église. Alors que j'aime les embourrés de liasse. Si je te disais dès le premier soir que je suis un Yougos. Alors que j'aime les caviars qui dégagent la classe. Si je te disais que je suis chevalier de l'ordre de la galère alors que je veux un chevalier de l'ordre du mérite. Si je te disais que tout ceci c'est d'y paraître et non mon être, es-tu sûr de ne pas disparaître Sur Le titre, c'est Premier Soir et ça fait un an déjà que c'est sorti. Une belle collaboration de deux artistes slameurs avec des timbres de voix différents évidemment. Bien que Mona soit plus vif, Altes lui a toujours les mots. Il s'est touché les mots des mélomanes amoureux de la parole. Dans ce titre premier, premier soir, les deux slameurs nous dépeignent la réalité des relations amoureuses de nos jours de deux amants. Ce titre est c'est qu'a vécu beaucoup de personnes, sinon déjà les slamers ne sont pas aussi nombreux. Cette collaboration montre la beauté de l'éloquence en islam. Si je te disais que j'aime les femmes naturelles qui n'ont rien d'artificiel, alors que moi j'aime les perruques, les make-up et les shopping. Si je te disais que j'aime les plats traditionnels, la foi, kofoi, alors que moi j'aime les pizzas, les hamburgers et les glaces. Si je te disais que j'aime dormir sous les étoiles du soir dehors. Alors que moi j'aime dormir sous climatiseur. Si je te disais que je ne suis pas du tout romantique. Alors que moi j'aime la vie à la Nouvelle et à la Titanic. Si je te disais que je suis un homme d'une extrême violence alors que chez moi j'ai grandi en princesse. Si je te disais que j'aimerais avoir 11 gosses, une équipe. Alors que moi je veux trois, excès limites. Si je te disais que je suis un infidèle. Alors que moi j'aime les hommes fidèles. Si je te disais que je suis le contraire de tout ce qu'une bonne femme veut, es-tu sûr de vouloir continuer Si je te disais que tu dois changer, si tu me veux, es-tu sûr de changer Si je te disais la vérité de le premier soir, es-tu sûr de vouloir continuer jusqu'à la gare Si je te réponds honnêtement dès le premier soir, es-tu sûr de ne pas m'en vouloir et vouloir me revoir Es-tu sûr de vouloir continuer jusqu'à la gare Es-tu sûr de ne pas m'en vouloir et vouloir me revoir C'était là le titre Premier soir. Passons à présent au reportage en région qui nous amène dans le département de Madaronfa, région de Maradi, où ces derniers temps, les populations font face à une insécurité avec des incursions des hommes armés. À cela s'ajoute l'épineuse question du conflit entre agriculteurs et éleveurs. Une situation qui amène les autorités locales à multiplier les efforts pour une paix et une coexistence durable. Pour Haruna Sani, maire de Madarunfa, la situation est sous contrôle grâce, aux efforts des forces de l'ordre et de la population. Suivant ces propos au micro de nos deux envoyés spéciaux, Maman Ada et Mahmoud Abdullahi. To, alhamdulillah, abu ne wanda dama kullum ana jawabi bisan shi ba mu da matsala ko guda matsala mu guda ta problem din wanga insecurity da ke damuwa mu wanda bamu saba da shi ba shi ma insha Allahu ga wanga canji da muka samu mun fara gani eh yanayin ya fara sauyawa ba a samun matsala za mu suna bakin kokarin su da haɗin kan eh, sarakunanmu da 'yan bangan mu duka muna muna muna muna hana kanmu kwana don mu samu mu ga wanga wanga mun ga bayan shi kuna batun wato matsalar tsaro shi ya kuke ganin su al'umma za su ba da haɗin kai saboda a kodayaushe ana kira ga al'umma ta ba da haɗin kai ga jami'an tsaro domin duk wani magoyin inda yake a gano shi kuma a samu a kawar da shi. ai kamar yadda na ce can baya abu in za ka yi shi dole sai ka haɗa da wani tunda su jami'an tsaro turo su ne ake wani ana iya turo shi daga agadas wani ana turo shi daga yamma ko daga difa shi bai san ba yadda jihar madarin fa take don ka sai ya zo a bashi labari kenan kaga waɗanda aka isko ga wurin su su suka san inda muyagun suke in ma ba su san inda suke ba suna labarin inda suke kenan sai an haɗa kai da su dole za a cimma guri kuma cimma gurin nan su ne kamata su ba da babban haɗin kan in dai dawo baya su ba da babban haɗin kan saboda a samu a hitar daga cikin waga babban matsala da muke cikin ta in eh, kana ganin kenan da yadda wato aiki ke tafiya al'umma suna ba da haɗin kai gadan gadan gaskiya yanzu alhamdulillah ban ɗoma komi yanzu bisa kan harkar tsaro wallahi tallahi nan so zamu nan nan ma da rumfa wallahi ba su kwana ba su hutu kowane lokaci suna cikin zarganiya da an ce maka an ga wasu sun zo sun yi attack ko kuma wasu barayi sun kwashi kaya ta yanke prefe ke da mota a ta bi su kenan sai mu ci alhamdulillah mu fara ganin canji kuna zancen makwabtaka ta da Najeriya duk waɗannan matsaloli kenan idan wannan makwabtaka ta ku da Najeriya tana kasancewa ɗaya daga cikin matsalolin tsaron wannan yanki idan na fahimce to kasan eh, mun yi taro da yawa na hot authority ala Consolation de la Paix mun yi shi tare da wancan gwamnan mahici eh, da mutanen Najeriya sosai su su zarge mu da makamai ta ƙasanmu suke shigowa mu kuma mu zarge su da 'yan ta'adda suke aiki da makamai suna zuwa suna hana al'ummar mu kwana kenan kaga kowa da ɓangaren shi na wanda za ya kare kanshi ko ba gaskiya ba kenan sai dai mu ce dole mu so juna mu haɗa kanmu da so zamu da so mu haɗa kanmu don mu samu mu ciwo maganin wanga abu. Mr. Lumera batun wato manoma da makiyaya na ɗaya daga cikin gishikan wato zaman lafiya cikin yanki kuma kun bayyana cewa wannan yanki naku na manoma ne na makiyaya ne shi wani ayyuka kuke na ganin an samu tuwa tsakanin waɗannan ɓangarori biyu. To, eh, gaskiya tun ma kahin eh, a fara kamfani ta sensibilisation kamar kamfani ta wayar da kai tunda muna yin ta. akwai projika da yawa da suka ɗauke mu muna shiga ƙauyena muna wayar da mutane kai bisa kan zamantakewa to yanzu dai sai in ce eh, alhamdulillah ko da yake dai bana dai abin ya fara sai a ci abin ba daɗi tunda kowa ya gani abin da ya faru a danja tsakanin manoma da makiyaya aka samu mutu wasu mutane wasu kuma suka ta. kenan bisa kan wannan shi eh, mai girma prefe na jihar madarin ya sa munan da'irar mu mu kira duka masu gai a shi da sarakuna da masu garurruka da masu unguwanni dukkan su mu zo mu zannar da su tare da direktar wanga na polis na jihar madarin fa da shugaban shandarma na jihar madarin fa da shugaban environment osfore kenan da duka eh, masu jagoranta su mu da suke nan cikin jihar madarin fa su zo su gaya musu sako a wayan musu da kai saboda irin abin da ya faru a danja kai ya ƙara faruwa zuwa gaba kuma mun yi shi mutane sun gane alhamdulillah sai mu ce sai dai mu jira lokacin da aka bada na sakin gonaki kasan babban matsala ita ce yanzu su waɗanga makiyaya tunda kowa makiyayi ne tunda in ma ba ka da wani makwabcinka yana da su wanga makiyaya masu hitowa daga arewa daga ko'ina can wajajen bana ba a samu ruwa da yawa ba ba a samu ruwa da yawa ba kenan kaga abin a mace suke kuma babu abinci can wajen a mace suke siyo nan kudu kenan in suka yi wannan wannan ne suke samun abinci da 31 ga watan disamba ake buɗe gonaki amma ka gama da an maida shi 20 ga watan disamba kenan kaga abun ya kawo matsaloli shi yasa a ƙara jawo shi baya kenan ina ga kuma waga decision da mai jihan maraɗi ya ɗauka allah sa ita ce ta zama alheri kuma ubangiji allah sa saƙon da aka gaya musu an ga mutane su yi su yi da shi. Kira kowane gargaɗi ga waɗannan manoma da makiyaya. Gargaɗin da zan yi ga manoma ga makiyaya baya wuce guda. Kasumanci murka 'yan adam ne kuma tashi hankali bai da kyau. In kai manomi makiyaya ya shiga gonarka bai kamata ka ɗauki hukunci da hannunka ba. Ka zo ka ga mai gari sai a kawo wannan mutane su zo. Ɓannar da suka yi sai ku sasanta. In ta kai ta a biya sai a biya. In kuma ta wuce ta a biya kai mai gari da ma an ce an abu ya haƙarin ka sai ka tunkari mayar. mayar abu ya karanci sai tunkari prefe haka ne to wasu ba su irin wannan abun? sai su ɗauki hukunci da hannunsu ko ta kashe kashe kamar yadda aka yi danga shekaran ya? to shine muke jan kunnan mutane wannan abun bai da kyau in ka gani kun makiya sun shigo cikin gonarka ka zabar ka je ka gaya mai gari in suna da yawa sai a tara mutane akwai an banga committee da vigilance muke duka kauye babu inda babu committee da vigilance sai a tare da su ku tsaya ku tsaya kun yi banna ba a lokacin da aka bada na sakin gonaki bai kai ba kenan ku tsaya ku zo wannan ɓanna da kuka ku biya ta in ba ku biya ba za ni kira mayar in gaya mishi mayar ya kira prefe prefe ba da izini a ɗauki motoci da yan banga a ta a koro shanu kamar yadda aka saba yi sai a kasa nan meri muna da furar gata nan wurin in sun biya halas sai a ɗauka takarda a basu a zanna lahiya a daina zidda jini bai da kyau eh a ji saƙon da muke ta gayi ko ina a yi aiki da shi Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Samira, c'est le moment pour nous de recevoir Soumana Amadou pour le sport. Bonjour Soumana. Bonjour à toutes. Bonjour. Et la Super League de football du Niger se poursuit à Niamey comme à l'intérieur du pays. Eh oui, hier, il a eu deux matchs à Niamey. Ainsi, Renaissance FC de Niamey a battu le Jangozo FC de Maradi un but à zéro, un match en retard de la troisième journée. La seconde rencontre est de la quatrième journée a opposé la SAGNN, à savoir la garde nationale, à la jeunesse sportive de Tawa. Victoire des gardes un but à zéro. Soumana, le Niger a participé à la deuxième édition du grand marathon algérien dénommé Trek Algeria Trek du 25 novembre au 2 décembre 2023. Ils étaient plus de 150 athlètes venus d'une dizaine de pays d'Afrique et d'Europe qui ont participé à ce grand rendez-vous sportif algérien qui s'est déroulé dans le désert de Tamimoun Walay, donc Wilay, situé à 1216 km au sud d'Alger. Selon le journal nigérien Air Info, Abdul Kader Rabé Hassou, le seul Nigérien, athlète nigérien donc, ayant participé à cette compétition, a couru le mardi 28 novembre sur les 45 km et a terminé quatrième. À noter que l'événement s'est déroulé sur euh, différentes disciplines, dont les 180 km en 72 heures, les 90 km en 36 heures et 45 km en 18 heures. Et c'est tout pour euh, aujourd'hui. Merci et à bientôt. Merci beaucoup Soumana, pour ce sport. Euh, cette fois-ci, enchaînons avec euh, le portrait du jour. Il, a, il est âgé de 39 ans, réside au quartier Sony Sikoubia dans le, dans le premier arrondissement de Niamey. Tanko est maître soudeur en menuiserie métallique. Il a fait son apprentissage en 1999 au quartier Yantala, Château 8, pendant plusieurs années. Aujourd'hui, Seini a ouvert son propre atelier où il a eu à former plusieurs apprentis qui travaillent aujourd'hui à leur compte. Notre reporter Omar Hama nous le fait, nous le fait découvrir dans ses portraits. sudar no za wat fono na goyo wo sintin ay goyo ayni ni 1999 ngene ni sintin ay goti apprenti sudar eh newo yantala chateau 8 na yin sintin chateau 8 bay kulga bay nodin atelier de sudir go nodini nodin ne ne go don don aygo te apprentissage ya ay fatta lokol nodin de na aigo nodin no irgo irgo curgu su nodin kalde do wayna kan irum ka fuya yadi yadin fo non nan ni na goyo suban wallahi goyo aywo ayno suban zama wato kanki ne fatta lokol ine imai dan kan mugoi ine dan garage ne gin aywo bin da kai sintin ko garage yakini dayno han fo goro de kele aygo ne aiwo goy kang te no rubo ga ba donc ay go su dir nge de no ay motivé ay o binde fat garage ye diro do hare mat kante no ya ay su diro sentin e eh, bala manna alhamdulillah e ga hinkir famandi nafa kan du goyo wora wallahi ay du nafa goyo wora parce que goyo anay nan ay du kulum zama a sin ga kab kab waran sa fi sabilillah adam mai zani hin gini biyan kul daidai amma wala a du zama ai te windi a ku kukan na da mai zigi ba fune da kul gaishe fi bi o zama irgo go bor yan wayan di irgo fami gyar irgo yan ga ai ban bor yan se lokol kan yan in kuna vraiment alhamdulillah ninge école professionnelle été aujourd'hui gon ga bakai bor yan kan yan da ai ede ai bonse buren kan kwai ne newa bon se ay don donon di goy hun kuna go goi entreprise beriya ra ni sambu ni recruter igono ba son iga do dizum goy wucir kam kul dizum goy do. neo ay godo o danga nigi ngir famandi hun kuna irme kino bon zan kamar yino gogoy ni bande hun kuna irme kino bon zan kai kan yongo no de inge bora pulle ma sonde inge borguno kaman tiwo kanyan iban idira igo goitare to sende fono nigo gadiwu go yora zama kambe goitere o kulsi jan sende lokaci foyora o to wallahi sanda kan gono giti irwo son pulle mu ma goideno sino jina goideno sino zama fisbilla aiwo ai e goyora aiman di sandai kulu sanda kai di bandano wato kai ni sintin dan wato kai ni sintin hari mo din ni sintin ne bai a gudoru man ta hirkun no gudu ay ni sintin musu musu ay mu tol wani ti ay mu dai mashin wani ay mu kwantayar dan wodin sintinano wodin dai no doru amma za kan ir gorgubu riwo wallahi son goy denir gi heda ay kul girse fi sibillah ay ku kan gir permettre mu goy a girse so goy dai no sino wodi mo kwara no sai ni ke ni ga to di danga jeunesse ga wallahi jeunesse ay nan go kai go watu kulu de di zan kay ay bon si watu kulu ay gi motiver ay gi yamar ay gi ne se he go koy go don don kan goy ni gi ka gi go go fada gi shisha han ni babu min tunan da amne mu koy go ni su koy go alla man ji bu ifono ni gi babu gada watu kul ne gi zan kay o yamar dayo ay gi ne o koy go don don kambo u o su suba aran na ga nafa aran mila aran albere aran haire hay ki gogi ci waran se waran gogi mili gogi tarinu ay bum boy bon sai zan kai ya maro kai te se de no filana dindini babu kandini neo se ke se pa pour rien dondon wo kine num ka ko dondon suba agin nafa ni babu se ban ga ba dala ni ber se ban ga ba dala ni won nu bum num te de hin na ga ba suba ni diya nafa Ya kai ki te zan kai ga dai im hangan inge kel ya mai se im hangan

On vit pour le pays, on vit pour nos enfants, on vit pour nos parents, enfants de la patrie. On vit pour le pays, on vit pour la devise, on vit pour la couleur, enfants de la patrie, enfants de la patrie, enfants de la patrie. I'm de la patrie, une collaboration de plusieurs euh, artistes nigériens, le loti d'aujourd'hui traite euh, de la propagation des ragots et des fausses rumeurs, euh, n'est-ce pas Rika Oui, Samira, propager des ragots et autres fausses rumeurs sur autrui est néfaste. Un sujet que les femmes du studio Kalango abordent avec sérieux dans le loti d'aujourd'hui. Il, il explore les impacts sociaux et

son da hina ne di bismot kira dinaga ai si ba am di ir to kalamate ifo si ni kyorono ayya ai bayyan woga zakir na kurana irsin da kyar labari a ai woka man tai kyora ni mal mahaika te hanna sinu ifo na ta si hmm ine kan ingino na hanna safar a no hanna sin da bani mi mhm mai no kini ku kura bore no gode gidirgici yadini to kiyai se ifo ma ga sino rahina ga wadin tasi hmm zam sega hina wo nor zunomi a gwanda a rusu hanne yadda a rusu nor to ga hina bin da ingino ya yi kunno sasi a sai no akwai ga safar to rahina mono ya talkai zuno a ga can sai dai no akwai ga safar irkoi beri na dira ni bun bosan nowo ni ba bai matukan no abun wogo gada haifa ma hakoi dinbo ni bai kan arsilam taraira haubor gayan zunubu no sokobun boda ba ni ga haya bai Ni di moni moni si ba san no bon ai bai ai binde hai haikan ai ma man ti ba san wadi ni ini kan du mai no nadira ma hagoi din bon wato kul na gine ni sai fatta hayi wura ga kaga da sanni sanni foyen hangan hmm ya no amma da kimno don ga sanni fallan kaki yayi si hmm. nadira da kimino ai wo gane ni sai kan an dunya wo sara ni mu wangi boro a wani harose ni di kan Hari kan sibore to ni di masabun da haikan goni sai amma beri ni ga. barfo wani masin moka da kimino nadia wadi ma ga sai ni gine ni wana amma beri ni ga. ya jinnu ni gicin hmm, son dai ne ni bumbo ni goken sai ga binde hai fai chwaga mutuno ni te gu wani mi ga to ni di wala matikan ni ni mondo ma dan kyarra ya kinu no rahina bumbo da ai bai dai dama sanno bina gasara nigi cim to bisa irmir fandadi amma ai hanga kendi hino dindira hina masine nigi tugu tugu nigi diga sanne woki aman hay kulte irse yadino yadino to irmu Chers auditeurs, c'était le loti du desk femme du studio Kelangu. Écoutons ensemble l'explication du mot mirage avec Maman Ada, responsable du desk Hausa. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Euh, le mirage est un phénomène optique dû à la déviation des faisceaux lumineux par des superpositions de couches d'air et de températures différentes. En fait, il s'agit d'une propagation anormale de la lumière dans une atmosphère où la température la pression et l'humidité ne varient pas verticalement selon la normale. Eh, hausa kiski sadon to da hausa za a iya cewa hazo kuma idan an ka ce hazo kamar eh, misali ma na ɗauki misalin halin da ake ciki a hamada hamada in ka oh, na bakin haure da suke shiga cikin eh, hamada za su iya tsinkayen wasu gidaje ko wasu ruwa hakan ga to wannan shi ne ake ce ma hazo mutum sai kai tsammanin ruwa ne ba ruwa ba ne ko kuma ka yi mm. tsammanin wani wuri ne inda mutane suke to ba haka nan ba ne hazo ne <laughs> to godiya muke Merci, Maman Ada. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal, un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et justement, écoutons à présent les messages de nos auditeurs. Moussa aw ko san sanno kanga kolkoti da jiya ne ne sai ah, musa ranga hangan na studio kalangu labarai ai ga hangan gum gum gum wallahi godu bon fere cim cim cim cim gum gum lam labari da bayan kulli ga ma radio fo ba mayo ngene ka dai da kalangu fe ngene gi hanga dinni hanga mo ga ma ibobo ba ka hanfo afo mu iswasi amma ga ko ga ma ga gi fo hinka ga ma ai wallahi wo kan ai ga ba gum gum hanski ne weekend kan no reference a te labarai ga ba da dato lendi wal mardiyan igin kibo wasu zukan no weekend wani igi samise mu immo dogo faham da boy kan sama france kina imate zam san ngade no yoga ba gum gum gum wa samer tu wulit tawlik ni sadar gan gasi i program wan kalangu ne kane a wasna rata shewa da program wan kalangu a de shewa a samor yan gafa wannan tidim daga wadda qalana iban misisigra at kanna samwi daga an girma giya kanar maranan da iya hasil dara tana gotnen ya gas daga amadal wa daga niger tagad madar di dar ganan kul sai sawara kanti hulawe ne na kana kanin hul hulle haruna tayiro tabbas ina sauraron program in kalangu abin da nake gani kin program in kalangu yayi kyau kwarai kwarai tunda akwai yare da yawa da suke gayi kuma abin ga labarin niger da labarun waje-waje muna jinsu shirye shiryen su da suke gai suna ganin su bisa kan abu da yawa kwanci hankali da karatun yara labarun mata hakan ga labarun matasa duk suna ga yinsu eh, abun da nake so kalangu a takara saban program in shi shine shi da mareke ne kalangu ga budewa inda son samu ne su bude da saye muna son wannan kuma su dinga kara sama kinsu su dinga nemo wa'ansu ah, labaru kuma su kara muna kamar na yara hakan ga matasa muna son shi eh da ambiance gaida gaidawa ko eh na gaidawa hakan ga kamar ina gaida ne ina gaida ne wa'anda nake ga gaidawa kin Niger ina gaida Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. voilà, c'est ici que prend fin cette émission de ce mardi 5 décembre 2023. C'était un immense plaisir de partager ces une heure avec vous, chers auditeurs. Vous étiez en compagnie de Samira Rafi et de Rekia Arimi. L'édition a été assurée par Fanta Shamsou et à la technique par euh, Abdulkader Chambiano. Excellente journée à vous. Bye bye